Comment vous pouvez vous situer devant ce matin

vous m'arrêtez. Si vous voulez, vous me Mais ce que je dois faire, mes droits, je les, je les exercerai. Personne qui s'y me mon Nous ne sommes pas là pour ça. Mais Nous sommes pas là pour ça. Nous sommes pas là pour ça. Si vous êtes en train de faire ma tournée. C'est que vous ne savez pas. D'accord, comme vous êtes en train de faire ma tournée. Si vous m'avez laissé, comme vous n'aurez aucun problème. Tous ceux qui sortent là. Mais moi, je ne les ai pas appelés. Dieu me témoigne. Hier, j'ai fait un live. J'ai dit, je ne vais pas en je ne vais pas en campagne. Je vais les gens je les salue. Mais moi, si j'entre dans ce quartier-là, les gens sortent. donc le ma et vous allez entrer dans le quartier pour faire des lacrymogènes. man dëj ça ce ma fa demee jaale nit quand je vais chez le khalife général des Mourides quand je sors les gens crient. donc c'est l'attroupement qu'on évite. mais mais moi c'est l'autre qu'on moi j'étais en train de circuler. nous prions tout simplement. regardez où je suis entré. Mhm. depuis que je suis à Joal. je suis allé chez l'imam. oui je suis allé chez le curé. Mhm. je suis allé ici chez les Mourides. Tout à fait. chez ma belle-mère. Tout à fait. on ne vous a pas suivi à l'intérieur parce que ça c'est privé. privé. Dit, mais vous êtes sur la voie publique. Est-ce que vous m'avez connu quelqu'un pour dire êtes sur la voie publique C'est le politique que je dit, est-ce que vous m'avez... Vous savez, mm-hmm. moi je suis juriste mm-hmm. et vous l'êtes certainement. Mm-hmm. C'est que vous avez une formation en tant que gendarme pour qu'un un, délit soit constitué, il faut un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'on va appeler les gens à un attroupement Moi, même si je vais en les gens, les gens sortent. Laissez-moi convoi tranquille. On n'a rien à faire avec votre convoi. Non, il y avait la C'est des portes qui sont interdites. C'est des portes sur la voie publique qui sont interdites. Interdisez les protestes. D'accord, d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y, allez-y. Voilà le président qui a fini de parler je crois bien au commandant pour lui dire que wootewul attroupement te wax ndax dafa live Facebook dafa wax meeting cortège yàlla nag moo dogal oto yu bëri loolu kenn mënu ci dara voilà et ces droits seront respectés il a dit personne ne peut l'intimider et personne ne l'intimidera inchallah son programme il le amul kenn ku ñu mën a xokkatal ci réew mi ba suñu activité politique duñ ko dérouler loolu dafa war a leer ci boppu Macky Sall ak waa këram ñun duñu ay ragal te kii kuy ragal du ànd ak moom lu ñu pare nañ ko li yàlla li yàlla dogal nag kenn mënu ci dara nit nit ci di ñibbi nga naan ko da nga créer attroupement ban attroupement fi am ah Ousseynou fii Soba moo fi ne fii Joal ñoo fi fu ñu na m'intimider man damay dem wax ak sénégalais yi fekk leen waxtaan ak ñoom loolu la ñu woote. loolu la ñu woote jàmm la woote waaye nag nit ñi le président Ousmane Sonko li mu ko wax dafa leer nee na ko nit ñi man moomu ma leen su ma duggee ci koñ bi nit ñi di génn mënu ma ci dara te loolooy dëgg ndax loolu la yàlla dogal ku muy xasal sa xol nag bu la yaboo nga naan saabu ta dem noppalu ji lii lay demee ba 2024 incha allah. fii ragal nekku fi ba keroog ñuy gagné incha allah. léegi gis nañ fi ay cortège ay nitu république waa APR kenn terewu ko lii nag la yàlla dogal kenn mënu ci dara sénégalais yi ñooy génn di ñëw saafonte ak moom kenn mënu ci dara te woowul kenn. dafa dama droit xam droit fii amul ben délit bo fi mën constituer ci attroupement wul invité wul kenn pour mu génn sénégalais yi lay dem nemmeeku seen i kër ak séni bërobu bërëbu sénégalais yi génn lu ci nit man mënu ci dara kenn ñu intimider et il a répété clairement devant le commandant nee le ko personne ne peut m'intimider et personne ne l'intimidera Trabalha.